déglukatu radio Joko FM Raphaël seen andak bilep radio Radio l'émission seen émission politique ni du tam di def dimanche bu jot saa puy nekk kay bi Assane Diour mo fare ci xarala gi ah, tey nag ah, suñu gan don nak ap ah, kilifa ci gox bi nak non itam ci bir di monsieur Paté Ndiaye moom mi nga xamné boy politique le. danaka di jité parti bi nga xamné ne parti pour le développement et la renaissance du Sénégal PDRS des na waxtaan ak moom ci laaj ak tontu aajowoo ci li nga xam ne moo di doxalin bi ci wàllu politique da nga xamee ni également euh, noonu la ci euh, duggee ba suñ jon yàlla tey kuréelu parti bi nga xam ne moom la taxawal ànd ga mu àndoon ak euh, ñi nga xam ne ñoo yor jamono bi réew mi defin beeg doxalin bi lépp lu ajowoo ci mbirum politique rawatina wàllu élection ak ñoom seen bokk na ci itam ci li nga xam ne moom moo di doxalin bi ci goxub Tëngéej maam Kumba Lam bile li nga xam ne itam moom moo di yitte ak yéeneem ci dëkk bi taxawaay bi nga xam ne itam moom la war a am seen euh, jëmelaw yoon ci li nga xamee ne itam noonu lañu nam mu duggee ci ak pal rawatina ci gox goxaat yeeg yi ni mel pàccee ca wo yëpp des na ko faram-fàccee laata loolu nag dañu koy bàyyi moom Pathé Ndiaye mu nuyoo ak mbokku déglukat yi di la wax asalaamaaleykum wa rahmatullah dalal ak jàmm ñu bàyyi la nga nuyoo ak mbokku déglukat yi Jokko FM. merci euh, merci beaucoup Moussa maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp rajo Jokko di leen remercier si invitation bi ngeen ma bi ngeen ma jox euh, pour cette émission bi nga xam ne ñëpp koy déglu euh, tous les tous les dimanches bon maa leen si remercier bu baax di leen baalu wax si weeru koor bi ñu dugg ñu dugg ak euh, suñu ak Sénégal ma euh, étude euh, primaire et secondaire jusqu'au baccalauréat et puis après j'ai fait ma def université de Dakar Hein, j'ai fait là-bas ma sous ma, sous ma licence en droit l'ancienne licence à l'époque il n'y avait pas la réforme de, maîtrise mhm. hein, en droit public euh, école nationale d'administration nationale d'administration ça c'était sous sous forme de concours c'était le premier concours bien ramené dañ à partir des deuxièmes années de droit mhm. hmm, Donc, nous donc nous le concours nous vous nous jàll admis def ENAM école nationale d'administration, je fofu comme administrateur civil Je hein, administrateur comme administrateur civil mon premier poste ça a été le ministère du développement rural mm-hmm. euh, foofu laa jëkk sous la sous l'autorité de du ministre Adrien Senghor et de El Souri, Souris qui était le secrétaire général qui est devenu vraiment un grand ami mm-hmm. boo euh, après je suis allé au bureau organisation et méthode parce que je me sentais je voulais pas tout de suite entrer dans la bureaucratie administrative Hein, bureaucratie hein, et je m'intéressais beaucoup euh, au bureau organisation méthode On y lié service Bob ma ñaan bureau organisation et méthode mhm. hein, foofu laa nekk dem dem formation dem formation au Canada à HEC Montréal def fa suma euh, suma mhm. master suma MBA master en business administration mhm. hmm, pendant pendant deux ans de 77 à à de 77 à 80 à 80 je hein, def euh, ma maîtrise dafa avant formation pour ramener, c'était exigé au niveau du BOM Le BOM BOM recrutement c'était sur place diversifié mais d'aller assurer une formation dans les méthodes de gestion mm-hmm. moderne mm-hmm. Hein. alors après d'elle aussi BOM def ma carrière pratiquement après, j'ai fait tous les échelons de ce service jusqu'à être le directeur, le directeur du bureau organisation à méthode en 84. Hmm, Après, il y a eu des réformes, bien sûr. Euh, nous, euh, le BOM est devenu délégation au management public. Mhm. Hmm. J'ai occupé ce poste-là jusqu'en 95 où le président Abdou Diouf m'a nommé euh, Yoboumo Port comme directeur général du port. Voilà, directeur général du port, jusqu'à l'alternance. Il y a eu donc euh, des, changements. Je suis revenu dans mon service d'origine, hein, qui était donc euh, devenu délégation euh, à la réforme de l'État. Oui, bon, Voilà, moi, bon, c'est devenu délégation à management public, après euh, délégation à la réforme de l'État et à l'assistance technique, DREAT. foofu laa terminé son carrière administrative. Mhm. en tant que conseiller. alors yow euh, li nga fi wax Assane loolu mooy euh, jaar-jaaru kilifa de koo xam lan mooy yorinu askan xam itam lan mooy walum politique xanaa peut-être ci lolou nga jaré nga né man dal mo def politique wala yow lan mo la bolé ak politique nga xamné ne bo xamné d'abri d'abri d'abri d'abri et considération amna sax def comme yo xamné tamit defoko wala ñu bëgg la tuumal rek mm-hmm. sa mbirum mbirum port autonome de Dakar ba nga fa nekkee kilifa mm-hmm. jekki rek après mu andil la coow du lu du xaj ñu ñu mm-hmm. tam la ku nekk japp am fu mu ci politique Pathé ñoy waaw politique euh, on a wax bon <laughs> chat la hein. bon je suis bon c'était moi je suis je suis né dans une famille politique Euh, suma waajur bu góor responsable politique bu moo ne woon na fii responsable politique à Rufisque ne woon euh, géré woon la coordination du parti socialiste de l'UPS BDS euh, BDS ba moo fi njëkk indi fii Senghor mhm. waaw fii bon je su d'une famille politique bon mais suma famille yëpp mënoo ci woon mucc suma politique mais man mon aussi won much de mhm. par ma peut-être de, de par ma formation mhm. et puis aussi surtout euh, dama moment dama bëggoon Abdou Diouf Abdou Diouf dafa newoon suma dafa nekkoon suma modèle en tant que euh, en tant que euh, fonctionnaire mhm. hein, en tant que en tant que homme d'État hein, c'était mon modèle donc quand mon modèle d'administration voilà d'administrateur bi Abdou Diouf ñëwee s'est engagé jël réew hein c'est la dugg politique du coup, moi aussi, c'est saint de. oui hein? en wu Senghor vraiment mon mon compte à l'écart carrément De mon compte 35. ah d'accord je faisais j'étais dans le mouvement des étudiants. Euh, malgré que nous n'avons pas pas papa ji moo fi voilà oui dans le mais on était dans on était dans l'opposition. d'accord comme tous les étudiants de de l'époque donc bien que ma grande présidence avec Senghor j'ai fait quelques années avec avec Senghor. Hein, mais j'étais moins c'est une activité politique, sinon peut-être euh, comme, comme, comme, tous les étudiants. Après, c'est avec Abdou Diouf que je me suis engagé dans la politique parce que il constitue sur mon modèle, mon aussi politique. Voilà, lol, moi aussi Google. Et vraiment. Euh, des regrets pense, libre, Enfin, vous me des fois je me dis que si on a une carrière peut-être plus euh, plus rapide. je mm-hmm. hein, boo j'aurais occupé peut-être des postes plus importants pour mon développer politique. d'accord voilà parce que Il faut dévier une trajectoire non parce que tant bi comme bi politique. Euh, à la base. il mm-hmm. y di euh, di de qui ci élargir les bases du parti socialiste. Mais il y aurait la 25e. voilà bi y aurait à me créé sous mon mouvement politique mon tendance parce que maintenant, il commence commencé politique réellement avec le le mouvement de rénovation et d'ouverture du Parti socialiste d'ailleurs on a on a mobilisé des cadres rufisquois des des jeunes ils ont intégré au niveau du PS ils ont créé donc ce mouvement donc pendant que nous on se battait sur le terrain pour élargir les bases du PS bon d'autres camarades au niveau national faisaient leur carrière euh, administrative jusqu'à atteindre euh, être à des postes alors donc euh, mais je, ne regrette pas d'accord je ne regrette pas parce que j'aime j'aimais j'ai aimé le parti socialiste hein, j'ai aimé Rufisque les mots les mots je pense que les mots d'Andef à mon hein, on a on a fait connaître le parti socialiste et puis, je pense que c'est à cette année, euh, c'est durant cette période-là qu'on a, euh, qu'on a hérité d'une coordination. Hein? On, a, on a partagé, on, est, on a divisé Rufus mm-hmm. en trois coordinations. Hein? il, y avait, Cora, il y avait Mbeijak et moi. Mm-hmm. Hein? Bon, j'ai géré la 25e coordination. Nous sommes allés aux, aux élections municipales de 1996. Hein? ñu élection municipale 96 nous gagné hein? la la euh, la mairie du Nord la première le premier la première mairie d'arrondissement du Nord nous n'avons que gagné nous hein? n'y gagné donc c'est épise. c'était vraiment une une première parce que depuis 88 le PS ne gagnait plus dans le Nord le PS ne gagnait plus avec nous avec euh, avec mon mouvement la jeunesse de de et la jeunesse du Nord nous a beaucoup supporté pour nous ba gagné. mais Fane Ndiaye musul nekk Ben maire ci Ben Non, non. arrondissement ni. ne moo que maire. à l'époque parce que j'étais il euh, y avait il euh, y avait le problème de du cumul. l'interdiction du cumul le cumul de mandat. Hein? le régime euh, le le le régime de Abdou Diouf mm. avait interdit le cumul. Mon woon am plus de exercer un mandat électif, avec, avec, une fonction administrative. Mm-hmm. Ça, je pense que on est maintenant, c'est la liberté. On ah, peut, faire on peut faire. n'importe quoi. Hein, et je pense que c'est pas c'est pas bon parce mm-hmm. que euh, dans les euh, activités de Daibari, une mairie, un, un, un service de, de l'État ou, ou, un ministère, c'est très difficile. Donc, euh, j'ai jamais été maire, même, alors que j'avais l'opportunité. Mais le président Diouf, au plus fort de notre euh, combat euh, pour les élections municipales de 96, on avait une majorité, mon avis, une majorité large pour gagner. Et donc, euh, contre, contre Jacques Diop, parce que on avait formé une coalition avec quoi, avec on était majoritaire. Euh, voilà, on était, on était majoritaire pour mhm. gagner. Mhm. si, on, si on avait un nombre de conseillers supérieurs, pour, gagner. Mais le parti, à l'époque, faisait des, faisait des, comment on appelle ça, faisait, faisait des primaires. Hein? Alors, le parti a, a organisé des primaires dans toutes les mairies, sauf à Rufisque. D'accord. Et pourquoi sauf, à, Alors, le président, il avait, il voulait pas que moi je sois maire. Hein? Il ne voulait pas que je sois maire. Cora ne pouvait pas être euh, maire non plus parce qu'il était pris. Euh, il avait une, euh, disons, une condamnation là de, il pouvait plus être maire. Un contentieux. Hein? Voilà, il mm-hmm. ne pouvait plus être maire. Mm-hmm. Alors le président m'a dit bon laisse tomber la mairie, hein? laisse tomber la mairie de que tu restes au port. C'est là qu'on a qu'on a on a arrêté. Et on a laissé, libre champ au doyen Voilà, on a arrêté le processus et nous sommes venus mhm. donc euh, pour, pour laisser, euh, pour entraîner la, la, candidature de, de mhm. Donc euh, c'est ce choix-là, hein, cette décision du président qui m'a qui m'a appelé personnellement pour me le dire, mhm. c'est là que je, je, me suis arrêté. Et au Parti Socialiste, nouveau Bobou, on était dans la discipline de parti. Contrairement à ce voilà, qu'on voit au aujourd'hui, Alors, à partir de ce moment-là, je me suis dit, bon, autant maintenant, mhm. euh, faire la paix hein, avec euh, mon doyen Jacques Diop. Oui. Hein? Tendance, mon doyen. Euh, voilà, faire la paix. <laughs> oui. comme ça. Comme on voit que je reste au port, je mhm. me consacre donc à ma carrière mhm. professionnelle, administrative noonu noonu lañ vraiment on s'est retrouvé en hein, de très bons amis mhm. mais Jacques Diop on euh, xëy na yàlla moo ko mais waruñu woon waru woon yàgg ak mhm. parce que c'est quelqu'un qui qui m'a beaucoup supporté c'était euh, c'était un grand ami bon mais ça me politique moom politique moo demee non ah. mais yàlla baax na nous avons passé de de très bonnes années les dernières années il nous finit c'était vraiment mon, mon grand. Mm -hmm. on, a, on a eu de très bonnes relations. Alors, voilà. man, nous avons vu que le fait que nous sommes dans Parti Socialiste, mm-hmm. euh, ñu dénk la fi nga xam ne moom port autonome de Dakar mm-hmm. euh, jekki ay euh, jamono Euh, nga daal di euh, donc am ay jafe-jafe wala bon sax ñu indi ay jafe-jafe teg ko si sa kaw parce que mhm. euh, ca la ñu mujj for ca ubee jamono yooyu mhm. dañu laa mujj seetal tegg bépp tuuma

dañu ciblé euh, l'opposition ah parce que port port aussi nañu waxante dëgg euh, genre genre euh, kuréelu nguur gi yooyu ay banqaas yu am doole la yoo xam ne da ngay bëgg pour le clientélisme politique bi nga dugal fa kenn boobu moom j'étais très actif j'étais très actif et mhm. puis on faisait on a on faisait beaucoup de mal à à l'opposition alors durant toute leur campagne dañu ciblé woon dañu ciblé woon ah, bu ñu gagné Paté Ndiaye etc il yooyu ñëpp dañ leen di jàpp dañ leen di tëj alors bon man man ça m'a ça m'a rien fait ñu continuer suñu liggéey dem si alors après bi quand quand la quand Wade est venu au pouvoir bon il a fait avec Idriss Seck cette euh, opération de d'audit hein, d'audit des sociétés nationales hein, que nous avons subi bon yàlla baax na euh,

j'ai parlé à mes camarades de parti ici Mon ne mieux euh, continuer sans moi parce que je risque de porter préjudice même au, parti Vous me continuez continuer dans. mais mais finalement loolu yow le porter préjudice parce qu'après, il voilà, il sa carrière pour. des des années defuma dara mhm. bon j'avais délégué tous mes pouvoirs aux autres Sam hein, Pape était devenu le maire de le, maire du le maire du Nord. Mhm. Ici à l'est, euh, c'est moi qui l'ai installé, oh. hein, Au nord, le responsable de la coordination, c'était Ablaïdem. Oui. Hein. c'était des collaborateurs. C'est moi qui les ai. Madame euh, responsabilité. Mm -hmm. Après, bon, donc, on s'est battu, on s'est battu. Parce que mon dossier, mon dossier audit, bon, c'est top pour le man du bloqué mais mais mais nag parti socialiste ici mhm. dañu a seetaan. Mhm. waaye kenn jàppale wuñu si. <laughs> Ah. la direction du parti nous jël koo accepter volontairement. se sacrifier pour le parti. alors que le parti derrière. n'a pas suivi on s'est sacrifié pour le parti on a fait beaucoup de choses pour le parti. Hein, mais au moment à ce moment là je pense que si vous parti socialiste vous direction parti socialiste hein wax hein, je pense que Abdoulaye ne serait pas allé loin mais la direction du parti n'a rien fait d'ailleurs euh, en réunion de comité central j'ai pris la parole pour le reprocher à la direction du parti. très bien il y 7 ans euh, seen euh, suñuy camarades yoo xam ne ñu ngi leen di toroxal di leen sonal am na ñoo xam ne ils sont morts en ils sont morts en prison. ah oui oui comme euh, Lamine Diallo. oh ils ils étaient ils ont été emprisonnés sans comme ça ils ils sont morts en prison. et comme euh, Ibrahima Ndiaye Ibé qui était à, qui était aussi à, qui était qui était aux HLM hein comme euh, l'ancien directeur de du Soleil, hein, j'ai oublié son nom. Alors ah, là, hein. c'est une liste noire. Hein? hein oui, c'est une, liste, hein. noire, tous. Abdoulaziz Tal, oh. il il on l'a emprisonné pour le, pour le blanchir après. Tu vois, mais à ce moment-là, je pense que Bou, Bou, euh, Tanor, la direction du parti, Bouni comme Ablaïwad a fait, hein, Ablaïwad, après. Euh, après après son départ. Mhm. Hein, quand Macky a commencé à. oui mu wax ak moom ne ko ah, bul mhm. ils ont pris. et même le cas Karim après finalement ils nous fi mu voilà rapidement donc euh, ça je l'ai reproché au parti socialiste. Mhm. Euh, je crois que. mais mais pourquoi est-ce que Aboulo comme euh, quelqu'un l'a fait avec le régime de Macky Sall actuellement l'affaire. Euh, maire de le maire de Dakar. avec mhm. la la caisse de consignation et dépôt. Mhm. gis également euh, l'affaire donc euh, de Karim Wade. Mhm. et qui plus est également l'affaire de de Ousmane Sonko lui le dernier nommé. de sax wootee. que ne gaañ li est ce que nous tax yéen jamono boobu yuuxu len walu ñepp a ñi len ngén né compulolo oui mais bon c'était c'était à la direction du parti de. de, de faire ça. Mais Tanor, dans son style euh, euh, bureaucratique, mhm. euh, il, s'en lavait, les mains, alors que, bon, il savait, il connaissait la, situation. Hein. M. Barry, a beaucoup d'affaires le bar, a beaucoup d'affaires le yam, parti bien Côte hein? Voilà, je pense que, et puis ça, c'était des, des cadres, de hauts fonctionnaires yoo je pense que defuñu loo xam ne Yarna na wax ah voilà mais je pense que d'avoir waroon une position politique. absolument man kooku je l'ai reproché. Mm. Euh, je l'ai reproché à Talon ba bi may dem euh, instruction euh, def suma def suma répondre donc aux convocations des juges bon euh, je n'ai jamais senti. c'est vrai baagante bi metti diggante dig ak diggante dig ak diggante dig ak vrai diggante dig ak suma kër. Bon, le Parti Socialiste ne m'a jamais soutenu. Voilà. Et puis moi, dans mon cas, euh, <laughs> euh, j'avais une instruction devant la, Cour des comptes oui. et une autre instruction devant la digue. à la, Vous hein Voilà. Mais, mais, est-ce qu'après, après de Fatah, on a toute cette frustration mm. en 2014, si on

on en parlerait plus. Et beaucoup l'ont fait d'ailleurs. avant mon pour ça, j'ai été, j'ai été le dernier directeur général à être euh, limogé. D'accord. Hein? C'était limogé en, avril, en avril 2000. Euh, Tous les autres DG avaient été euh, enlevés. il semble que Dany dañu bëggoon ma ñëw di ma menacer ak yooyu. lu ñu ah bon menace lañ def. voilà aparté wu la teguñu dara si. sa non non di ma menacer et puis aussi di di wax ak man hein, par personne interposée. ñëwal ñëwal fii boo ñëwee ñu bàyyi la fii hein, wala ñu jox la leneen sax. ma ne leen ma ndax demoo. ndax hein. demoo demoo parce que. dem sa bopp. jaaw jaaw jaawlu ma ko woon defu ma defu ma dara loo xam ne. Euh, j'étais convaincu que que defuma loo xam ne mën nañ mako ko. mën na gaañ yi bu Assane yooyu bu méttee. voilà bu leen parti bi wowe rek. Mm-hmm. même ba légui ni on le mm-hmm. voit les gens se déplacent. dem fekk ji et puis boobu man fekk na dama le régime libéral. Mm-hmm. dama mënul won liggéey ak ñom d'accord dama xamné ne mënuma liggéey ak ñom parce que ni ñuy doxalee hein, man mu. fële social démocratie fi libéralisme non c'est vrai que. du ma mën ànd ak ñom alors donc me me ma continuer. Donc, euh, je ne sais pas quelle est ta question encore là. Hein? Non, non, par rapport à l'ITA, nous avons parti euh, socialiste, nous avons parce que nous avons créé ce mouvement. Voilà. Donc, après avoir subi, tous ces, ces affres-là, avec, mm-hmm. injustice, et puis le, le, le la non. il n'y a que soutien bien avancé par socialiste. Nous avons ay un renouvellement vente des cartes à refuser. alors man j'ai voulu je voulais revenir je voulais revenir pour. Euh, il a sa place voilà place quand on m'a quand on m'a blanchi. Mhm. je vais revenir de hein, ma place. retour pénible. voilà retour euh, difficile. oui où vraiment je sentais que au niveau de la direction du parti et, au niveau de la région il m'a Mhm. parce que comme un château de cartes la fait fi installé woon ça s'est effrité après man euh, Tanor c'est un promotionnaire on a fait on a fait toute la fac ensemble de la première jusqu'à la quatrième année on est de la même promotion de fac de, licence de droit il a fait euh, droit public international moi j'ai fait droit public bon on fait euh, on n'est pas de la même promotion de, de l'ENAM parce que comme je ne me le croirais man dama def euh, un un un cours un, un raccourci. Mm-hmm. Hein? je suis entré à l'ENAM j'ai fait 3 ans au lieu de 2 ans ñoom dañuy xaar ba am licence ñu door dugg ENAM donc man maa leen njëkk génn hmm? ma promotion ñu ñoo leen njëkk génn sama promotion c'est ñom euh, Abdoulaye Matar Diop et. Mhm. les les les mhm. nous sommes dans la même promotion on est sorti un an avant. Mhm. donc on a on avait de très bonnes relations. Hein? bon mais euh, alors je m'attendais quand même à ce que le parti me, soutienne et m'aide à, revenir euh, elle aussi euh, prendre mes responsabilités parce que j'étais le responsable de l'union communale ici à, à Alors, euh, je n'ai pas senti ce soutien-là, mon ni là. Ni là, euh, Je suis, j'ai parlé à Tanor, mhm. on s'est parlé. mon Je vais quitter. Et puis, me une lettre. Hein, j'ai quitté le Parti Socialiste. Avec autant de Tout en, restant socialiste. Sans, sans, sans, sans jeter euh, l'éponge, ni binde, def, non. Ouais. non, non, oui. De manière euh, très, très courtoise. Voilà, hein. bah, je, me binde, je, je, je l'ai écrit que pour dire que je démissionne du Parti Socialiste, hein, mais je suis toujours socialiste. Bon, le Parti Socialiste de Mohamed vous le, le socialisme, absolument. Actuellement, il y a beaucoup. il, y beaucoup qui le revendiquent. Voilà, voilà. quelque part également le maire de Dakar, Khalifa, mm-hmm. etc. Mm-hmm. Donc c'est comme ça que je suis sorti du, du Parti socialiste mm-hmm. et mais j'ai créé mon mouvement qui hein, s'appelait, euh, euh, en attendant de, créer un parti, oui, hein, j'avais créé un mouvement, Ande de euh, euh mm-hmm. Sénégal. Mm-hmm. Hein, bah, où on y donne une élection municipale. D'accord. Hein? Mm-hmm. élection municipale. Je suis allé aux élections municipales en coalition avec Benon, avec la paire dans, dans Benon. D'accord. Donc pour la commune du, du Nord. Du Nord. du Nord où malheureusement on a on n'a pas eu de, très bons résultats, mhm. mais j'ai été élu parce que j'étais tête de liste proportionnelle. J'ai été élu avec deux autres euh, camarades, une mhm. dame et un, homme. Donc euh, c'est comme ça. Ça, c'était une phase transitoire pour créer mon parti. Et j'ai je faisais les formalités pour créer mon parti avec mes amis euh, qui, m'ont suivi, qui m'ont suivi du Parti Socialiste, on a créé le Parti du Développement et de la Renaissance du Sénégal. Mhm. Et c'est tombé juste durant la campagne pour le référendum. Je pense que c'est le, 13 mars 2016 mhm. que, hein, que j'ai reçu le récipicé mhm. de reconnaissance de mon, de mon parti. Voilà ce, qu'il en est. Mon parti a aussi donc adhéré à Benon. Nous de, adhéré à Benon, euh, Benon j'ai adhéré euh, librement sans avoir été sollicité hmm? nous adhéré Benno euh, di avec euh, nous sommes allés de déception en déception. justement alors nous, tu ci également. je me souviens ci tu fort également tu en 2016 waxoon nga fi ay wax yu rafet sax d'ailleurs hein, ci ci président Macky Sall ci gestion bi nga xam ne moom lay def dox benn coup de fouet ci li nga xam ne moo di doxal mais quelque part benn instant juste après ça ci ci heure yi nga xam ne moom la ñu nemmeeku sa diggante ak ñoom sa plume changer tuuti d'agressivité nga commencé di dal ci ci régime bi lan la lu la def ñoom euh, dafa ñu ma dara sinon que dama yaakaar bi ñu amoon si ñoom parce que quand j'ai encouragé le président Macky Sall, euh, c'était sur la base de ses engagements, des engagements politiques qu'il avait pris, la, euh, la, reconnaissance des conclusions des, des assises, hein, et l'engagement d'une gestion transparente. Oui. Hein, idéal, mhm. euh, bon, voilà. voilà. Mm -hmm. Voilà. bon, ça m'avait vraiment, ça m'avait de, de, de, de mhm. encouragé mhm. Mais nous dem vraiment chaque euh, mois pour ne pas dire chaque année mhm. nous hein, gis euh, euh, des phénomènes vraiment qui nous qui nous le contraire mhm. que le régime nous donne dans un autre sens vraiment c'est camarades yep, nous nous lii daal Nous devons continuer de supporter un régime boo xam ne que bon c'est la c'est la dégradation euh, la remise en cause des, des, valeurs et des, et des, et des, droits et des libertés publiques. Mhm. Hein. Bon, les, les, scandales financiers dans, au niveau de, de l'État, au sommet de l'État, la mauvaise gestion des, des, marchés, tout ça, ça m'a fait prendre du recul. Ça m'a fait prendre du, du recul jusqu'à ce qu'on décide. Et puis jusqu'à aussi le le li ñu gën a li ñu gën a metti di tax ñu gën mm-hmm. ñu génn carrément vraiment mooy le le sort qu'on a fait à Khalifa Sall. ah oui. ça ça nous a choqué. lu tax. parce que est-ce que est-ce que c'est l'ancien est-ce que c'est l'ancien collaborateur. parce que c'est l'ancien collaborateur collègue. du parti socialiste. Mm-hmm. et puis aussi j'ai senti que man dama yëg ne que euh, la euh, Tanor était derrière. derrière qui derrière le pouvoir contre Khalifa. Derrière le derrière parce que Khalifa lorgnait derrière le cette opération, de derrière cette opération de liquidation De, de, de, Khalifa, hein, il hein, y, a, Tanor et, le, et, la direction du Parti Socialiste. Pourtant, nous ne euh, reconnaître fait, non hein. Non, mais qui avait intérêt Mais il y ancien, parce que, parce que Macky Sall, le président Macky Sall, a un intérêt liquider. Peut-être ville de Dakar Ville de Dakar Peut-être ville, de Dakar. Mais, mën nañ considérer que peut-être seen seen intérêt dafa euh, dafa dafa daje waaw dafa daje <laughs> tombé waral ay mais man li ma li ma si gën a metti mhm. mooy euh, mooy mooy la la position de de Tanor parce que quand même boo amee un camarade nga am ngeen am problème mhm. surtout problème yu yooyu xam ne si ñàkk fay parce que dafa daf ko sotti suuf si au niveau de la maison du parti les jeunes là hein sotti les suuf coow la amoon ah, waaw voilà coow li amoon <laughs> foofu alors mu disons ba le complot là ce que je considère comme un complot la liquidation de Khalifa. Mhm. c'est un complot d'État. ah donc terme complot de du hein, Le terme complot yi du hein. je me rends compte que c'est un un complot. qui a mhm. été qui a été ourdi. Mhm. hein, entre Tanor et et bon ku si nekk am intérêt mais. je pense que le parti socialiste warul won euh, warul woon yegg fofu ak xalifa. Euh, mais yow jëkk dañu la seetaan seetaan say morom. voilà ñu dee prison waru len bett. en parti man man man dañ ma seetaan. Uhhuh. mais khalifa mom dañ ko mom le parti. a dañ ko liquider dañ ko liquider. parce que bon c'était ni mu les rapports qui ont été faits. ñi ko def ak yooyu ñooyu ñëpp tu sens que euh, le parti socialiste était. parce que la génn fofu il fallait que mu ñuko ñu ko jege mën ko mën ko siwal. fofu la génn définitivement. d'accord. Hein? mais euh, j'ai pas pu supporter ça ni ma mes intimes ils ont vu que semaine dernière, biñu liquidé euh, Khalifa Sall j'étais malade. mais maintenant, nous cette posture du, régime actuel. en hmm. tendance souvent à faire de la liquidation de d'adversaires politiques est-ce que est-ce que dans dans l'orthodoxie politique c'est acceptable ñuy donc euh, un pouvoir sept, ses adversaires potentiels par rapport à une élection mhm. tout de suite nous devons leen ay droit de vote et d'être éligible Nous mën ko ñu oui voilà c'est ça aussi que l'autre tamit dañ euh, le régime là au lieu que nous l'ayons, nous fi préparé l'élection. di préparer élection hein, li leen intéressé rek renouvellement de euh, du mandat hein, donc liquider tous les adversaires potentiels Khalifa si hein? après nous nous mettre des des barrages institutionnels comme le comme le parrainage hein le parrainage ce n'était rien d'autre que pour euh, caler pour empêcher euh, certains candidats euh, d'être d'être donc aux, aux élections présidentielles le parrainage ensuite ce complot contre Sonko Hein? ça aussi c'est un autre complot c'est aussi autre complot d'état complot un autre c'est un autre complot pourtant une affaire purement quelqu'un ça a été monté de toutes pièces. ah oui ça a été monté de toutes pièces. malgré ce que une affaire de une affaire de mœurs. Adissa dit derrière que voilà est ce que nous sommes moom moo génn yuuxu ko. C'est une affaire de mœurs. Euh, peut être que Sonko à la limite il est sorti avec cette fille mais on ne peut pas parler de viol dans cette affaire là donc c'est pour éliminer les gens. Mais le recul démocratique, le C'est un recul. le, dialogue, là, le dialogue politique là aussi. Mhm. Hein, tout ça, c'était juste, juste pour mettre la main sur euh, certains leaders, leaders de l'opposition et les amener, euh, les amener dans, le, dans le régime. Mhm. Bon, c'est pourquoi nous, on n'a pas participé au, dialogue. Parce que pour moi, c'était une mascarade. C'était une mascarade. Nous, hein, nous terminé. Et puis tous, le lieu pour préparer des conditions favorables Hein, au, régime actuel pour remporter les élections futures. Le retard bi am si euh, élections municipales les reports et autres là Yo yo parce que je pense que le régime est en n'est pas en bonne en bonne position. ah oui pour les pour, aller aux élections ah mais mais nous nee Nous yéen euh, en fait ñi ci demandé au moment du dialogue politique. que nañu chambre fichier bi parce que nous avons dit dañ ko doon contesté ci élection 19 yi. que il fallait que ñu càmbaraat ko xool intérieur fichier bi ndax fichier bi lañ siy contesté ba léegi mën na demaat élection je pense que. loolu mais loolu moo nañ ko def bu yàgg depuis qu'on a mis en place euh, ces ces commissions là loolu la ñu waroon jëkk jël comme décision exécuter ko ñu commencé euh, donc faire faire. faire mais ça peut aussi prendre le temps qu'il faut. Hein? oui mais ça n'aurait pas pris. autant de euh, temps autant autant de temps que là que ça defuñu ko mais yëpp pour tarder, di di di euh, di repousser repousser on ne peut plus repousser il faut que il faut que ces élections se passent mais entre le mois de décembre et le mois de janvier c'est un mois mm-hmm. bon loolu jubóo war nañu mën jubóo normalement hein? <laughs> d'ici là yaakaar nga ne mën na nekk hmm? d'ici là je ne sais pas parce que je ne suis pas tellement les travaux ils mettent tout sur euh, ils mettent une condition voyez que euh, l'audit du fichier soit, oui. soit prêt. Hein, mais il y a aussi des, des réformes. Hein, il faut qu'on révise le code électoral. Mm-hmm. Hein, il faut aussi qu'on ouvre la qu'on ouvre les inscriptions sur, sur la liste électorale. Mm-hmm. Il y a des délais, c'est incompressible. Oui. Est-ce que c'est si ou pas Et pendant ce temps, les mandats électifs, surtout au niveau des collectivités locales. Voilà. voilà donc les, mandats, les mandats continuent. voilà, <laughs> J'ai dit, j'ai dit en conseil wax naa fi. un conseil, conseil nga n'est-ce pas ba léegi. moi je suis municipal. ah y a seen mandat yi non na. suñu suñu conseil municipal bi mhm. j'ai dit euh, j'ai dit euh, j'ai dit au conseil que man ñun ñun fi mu nekk ñi ngi ñi un deuxième mandat hein, illégitime parce que bi ñu waawoon dem élection ça fait ça faisait quoi ça fait deux trois ans. quelqu'un est sorti pour dire que nous avons une andi spéciale, ah. donc dans les dans les mairies. ma ne ma nous sommes en train de faire un deuxième mandat illégitime. est-ce que vous def défendre légaliser. proposer une, hein? une délégation spéciale. nous mënuñu dem nag mënuñu un troisième mandat. non vraiment donc il faut il faut que l'on il faut qu'on arrête quoi. Oui, délégation spéciale bu ko aussi bon euh, on ne peut pas kenn mënu ko def aussi à à disons, sur toute l'étendue du, territoire. Parce que Il faut un problème pour une mairie. C'est très coûteux, quoi. Après, des freiner également donc, ah. la gestion des collectivités mhm. locales, surtout au-delà de l'aspect administratif. Alors, donc, mhm. moi, ce qui, ce qui fait que nous sommes euh, euh, vraiment outrés, nous sommes maintenant ancrés carrément dans l'opposition. Mais justement, nous, sommes avons Nous, nous, le président Macky Sall recevoir <laughs> donc euh, les plénipotentiaires du, du, de, de votre coalition. Mhm. yow ak sa gaa ñi ngeen bëgg jël parole ca jamono boobu. Mhm. Euh, am ku leen ko empêcher ndax dafa taxawal ab liste bo xamné presque dañ leen xobbi ci liste bi. Mhm. alors que yéen vous aviez des mots à dire qu'en est-il. waaw mooy c'était quand c'est quand le président est venu. oui recevoir oui recevoir waaw. le conseil interministériel le conseil interministériel décentralisé oui. oui oui fi bon waxuma sax ne dañu dañu empêcher de donner la dañu empêcher joxe la parole mais dañu dañu empêcher sax ñu dugg quoi pratiquement. en plus en plus c'était très difficile pour ñu dugg hein, parce que ñu ne dañuy limiter dañuy limiter le nombre de le nombre de participants le nombre d'invités Évidemment, ne ma na nga indi xaw na nga ñu ànd ak quatre personnes. Qu'il bu toll comme yow. waaw ñu ñëw si bunt bi gis hmm. ay nit yu fees fa del del del del

parce que oh, daf dañuy liste ba mais ñu wax lu au contraire on était dans la mouvance. lu ngeen bëggoon wax président. Hein, lu oh non mais rien de rien de spécial war na war na ko non on était dans la mouvance on était vraiment dans dans hein, on est mais pour. Euh, peut-être parler des problèmes des problèmes de Rufus bi nga génnee loolu def après. Hein? bi ma damay bi may bi may journaliste yi de. tatagal la. <laughs> <laughs> journaliste bon mm-hmm. bon souvent bon j'étais vraiment fâché. bon j'ai dit j'ai dit j'ai fustigé l'organisation quoi. Oui. j'ai fustigé l'organisation de cette cérémonie là où on nous a pas permis de, de on nous a permis d'entrer difficilement ah joxuñu joxuñu ñu parole bon lu ma def j'ai critiqué l'organisation. Y avait Les gens sont sentis, certains sont sentis visés, etc. Y avait-il des gens derrière qui ont préparé pour que l'on Voilà, c'est venu comme ça de manière fortuite. C'est peut-être des, des, un manque d'organisation et, d'attention. quoi. Euh, c'est pas. <laughs> Passons quoi. Mais moi, je ne me situais pas à ce niveau parce que. Euh, xëy peut-être am na ñoo xam ne hein, sorte de jalousie vraiment. un coalisé qui dérange. man dama comme comme li li li en matière politique hein. bon je pense que ma jox hein, bu président euh, Macky la parole et puis aussi ma maître. Euh, me mettre au podium ou bien me réserver euh, une place au podium mais à amuñu faut une place amatuñu ma faut une place ñuy wax aller où ma si hein? en tant que parti euh, allié. oui mais nous may lu madame fay def madame dem ak alors hmm? ci ci biir mouvance bi nga xam mon moom bien ñu seetlu bi nga bi nga recul. Hmm da nga nekk tey jii un opposant suñ ko mënee jàppee. Mhm. alors gis nañu ne euh, Sénégal on a traversé une petite période donc da nga ko doon wax tout à l'heure sur mhm. euh, l'affaire mhm. Sonko. beaucoup de Sénégalais ñu génn ci biti ci mbedd yi. ñenn ñi euh, profité sax ci opportunité yi bi mu affaire bi leen may leen. ñu def de l'agression de l'agressivité ñenn ñi def ay contacts. dajaloo ak daje ak takk der yi. ba am ñu ci ñàkk seen bakkan. déjà le peu on a vécu ça. Mhm. mais non nous en tant que responsable politique. Waouh, les événements. du mars là les événements de du 2 3 mars 3 4 mars. oui vraiment c'est une euh, il faut que nous y réfléchissions Il faut que c'était très sérieux hein, parce que d'où affaire où Sonko rek peut-être qu'il faut coller si. Euh, euh, l'incident de de Sonko. Mais je pense que le peuple a, parlé. Les jeunes ont parlé. Ils ont exprimé, donc toute la jeunesse exprime tout son désarroi devant, devant euh, euh, la situation qu'ils vivent. Bon, il y a aussi euh, les, forces, les forces politiques, les autres forces politiques, la société civile aussi ont exprimé donc leur, leur désarroi devant les dérives Hein, il y qu'on comme les dérives de, l'État contre les libertés publiques. Hmm. C'est des leçons à tirer. Hein, le problème de, de, l'emploi des jeunes, hein, il n'est pas réglé. C'est réel. Hein. C'est réel. Mais, c'est réel. Mm-hmm. des, des, diplômés qui chôment. En, plus des, non qualifiés des jeunes, euh, sans formation professionnelle. Le, secteur informel. Voilà, qui n'ont pas, de travail. Mm-hmm bon je pense que le message là doit être compris Moi, il faut que qu'on revienne que l'on restaure euh, nous restaurer les libertés publiques hmm? le respect des respect des, libertés publiques notamment euh, le, droit de manifester et puis le droit aussi d'expression de l'opinion c'est les Il wax a pas la tous y emprisonnés juste avant les événements les, les comment ils s'appellent encore les, les activistes là Guy mhm. euh, l'autre là qui parlait de, de l'affaire des, des, accords de pêche là hein? des, financements donnés par l'Union européenne mhm. comment il s'appelle encore Monsieur Gien je crois mhm. nous avons pour des choses les gens ont le droit de s'exprimer et, de se poser des questions hein? alors donc euh, c'est des, problèmes très sérieux. l'échec d'un régime Et puis euh, euh, l'équité et l'équité devant la justice. ce qui a soulevé sur, sur le cas Sonko, c'est ça. On a, les gens sentent que la justice, il y a des dérives au niveau de la justice. Hmm, qui sont. La justice est sous, sous ordre, comme on dit. D'accord. Hein, est sous ordre de, l'État. Pourtant, nous sommes euh, régime les trois pouvoirs sont, séparés. Oui, ils sont séparés. Mais on sait que euh, la, justice euh, est sous ordre de, l'État. Et ça, il faut que vraiment que les, que, les, magistrats prennent leurs responsabilités. Hein. C'est un pouvoir indépendant. Ils ont tous les moyens pour faire leur travail. Donc, et puis aussi que l'État laisse la justice travailler en paix. Bon, le, cas complot, ça a été vraiment le, le summum. Les gens en ont, en ont eu assez pourtant après le, président Macky Sall euh, a fait une sortie Degue ne ne man dégg naa Il a réagi et dans sa réaction il propose un emploi yu à ay recrutement euh, avec 450 euh, milliards c'est une opération de séduction oui c'est une opération de séduction mais aussi il faut que ce régime là nous savons que il yi du affaire milliards du affaire milliard. affaire lu lan man ma seetlu si régime mais mooy ñoom bu ñu leen rek on a mis tant de tant d' ici hein nañ tant d' argent pour ñoom defe nañ le problème est réglé. mais c'est pas un problème c'est pas un problème de. milliard c' est que nag régime Ablaye Wade dañu tàmmoon di dégg ay milliards continuité bi moo et puis euh, xale yi. Mm-hmm. xale yi dafa mel ni que xale yi dañ ne Macky Sall li comprendre si je mooy que xale yi dañ ne doyul li mu doyul alors dina joxe waat quatre cent cinquante milliards or le problème du lolo c'est pas que xale yi dañu dañu doy loo ñi ñuy war a jox la joxul. Ah. lan mooy alternative les cibles. Mhm. les cibles qui ñoo nga xam ne ñoo war a bénéficier des financements pour des pour des emplois hein ñi ñu war a euh, recruter c'est pas c'est pas les bons les ce que l'État a déjà investi hein, dans les dans les financements hein, est-ce que évaluer nañ ko moom lañ dañ ko waxoon jëkk évaluer hein parce qu'on parle de combien de 600 milliards. Qui, ont, déjà été injectés. Sur les 4000 milliards de budget. Voilà. Mhm. Mais dans ces 600 milliards-là, mhm. hein, quelle est la part des, charges, des charges de fonctionnement avec, l'institution institutions les nombreuses agences, le personnel de ces agences hein? Est-ce que, est -ce que est-ce qu'on a est-ce qu'on a 600 milliards. mais xam nga moom dafa bëgg ay fast track donc est-ce que le temps qu'il faut pour nga càmbaraat dootul nekk une fois de plus ben genre France, par rapport à li nga xam ne ses ambitions à à vite réagir par rapport à la demande sociale. fast track euh, fast track aussi boo xam ne bon mën nga ko def lu yàgg waaw mën nga ko def lu moi, il faut que nous ñu euh, la distribution euh, politicienne des des financements parce que ñi ne woon euh, ñi génn fi si. Ah, mbedd kon ñoom seen ay gars lañ koy jox ñi génn si mbedd mi. Mhm. hein ñu du ñi nga xamné ñoo ne woon à la à la journée là. ah mooy conseil présidentiel ba won ci jam ñaajo xam nga xam nga ñoo ñooñu ñoom <laughs> déggal hein, déggal monsieur Diagne donc euh, il faut que il faut que vraiment euh, agence les mhm. agences qui s'occupent de mhm. de l'emploi le financement d'emploi que ñu objectif. est-ce qu'ils sont en train de, faire une théâtralisation de leur gestion. de que ne tirer droite di xool gauche tirer droite. il faut il faut que ñu identifier cibles yi les secteurs yi ñu war financer parce que aussi nous def euh, quelqu'un qui ne dafa soxla rek projet hein. bon dans un dans un secteur boo xam déjà y a une y a une forte concurrence dañ koy jox nous hein, mu à dépenser mais parce que ah, parce financement 300 000, 500 c'est des activités précaires on veut recruter 65 000 emplois mhm. mais est-ce que on a euh, dans quel secteur hein? je comprends je pense que le secteur identifié euh, bon, amener c'est l'éducation la santé etc. Mm-hmm. bon mais euh, il faut que nous... je pense que si on veut avoir si on veut régler le problème de l'emploi il faut que nous nous que les entreprises par exemple qui sont qui sont en difficulté hein, qu'on les aide qu'on les aide à avoir à repartir Hmm, sur la base peut-être de, subventions hein, et d'accord entre l'État. Mhm. Hein, bon, l'État subventionne. Il, leur, il, leur a, lancé l'appel également au patronat, également aux entreprises, hmm, hmm. pour que nous participions. Mais bon, nous oh. je également nous sur un plan local. Moi qui m'ai il y a Nous euh, également qui Uh, Joko Live bi nga xam ne moo ci facebook bi fu ngeen mënti nekk ci àdduna bi mhm. yéen a ñuy uh, en direct mhm. uh, suñu gan tey di Pate Ndiaye moom mi nga xam ne moom moo parti donc bi nga xam ne moom di PRDS ci Sénégal. alors monsieur Ndiaye tey jii nii parti bi nga xam ne ngay jiite sur mhm. un plan local. est ce que tey jii nii yaatal nga sa géew fii est ce que tey parti bi. am na fi nekk sa base taxaw na fi trop ba war.

Euh, la ville s'est étendue euh, au nord, euh, à, à l'est, hein? mais mais de bi dëkk bi fi newoon mooy nag ben la moo ko Tëngéej c'est une ville ah Tëngéej c'est une ville avant tout. nga mais ma may fàttali Assane loolu sax xaw ma ci 88 628 0013 88 628 0013 pour bu ngeen participer wala wax ak monsieur Pathé Ndiaye. ñu ñu décou ñu découper ko en commune hein ñetti commune mënoon nañ ko bañ def sax. les communes qui dérangent. Le ministre Omar Gueye ministre Omar Gueye nee na dañoo war a supprimer euh, donc euh, euh, li nga xam ne les les cinq villes waaw. waaw waaw man foofu d' accord ma si avec mon mon ami Omar. Mm-hmm. Hein, alors suma xarit la suma rakk vraiment on a fait beaucoup de choses ensemble D'accord accord mais kaw bi may bi may bind vraiment au début après c'est naa bu baax li mu wax mooy que dañu nañu bàyyi activité une activité politique ligué hmm? mais après puis mu ici si problème ville bi là, la parce que euh, la ville la ville elle est antérieure au département hein et puis Doina, ville Doina comme comme euh, institution de coordination euh, et de et de soutien aux communes Nous, bëgg aussi département fi mu nekk boo le département. le département moo renforcer. supprimer ville. pour département or le département euh, les les euh, attributions département c'est répétition hein, euh, attribution ville à commune pourquoi le département en tant que structure administrative, une collectivité administrative comme la région. Mais nous baillons les communes avec, euh, avec les villes. Parce que aussi, décentralisation, de fait, euh, de fait mais doo doo décentraliser ba pareil, di yokk tutelle. di yokk tutelle te loolu l'a def en en place les départements. voilà loolu loolu loolu lañ supervision bi dafa bari dafa te département amul ben moyen. Ah, donc en lieu et place moom mi amul ay moyens lañ fi war a jëlee. waaw moom lañ fi war a le département man ni mo gisee muy fonctionner depuis depuis biñ ko créé ba légui hein fu fu fu maire jaar ñu ñu jaar fa daal di sot dal di joxé touti joxe tuuti loo xam c'est les maires de commune et le maire de ville. dafa dafa niru une sinécure ñu créé lo xamné c'est rien du tout. waaw dañuy amuñu amuñu ressources propres amuñu ressource yow yow gars yi mel ni ñoom Souleymane Ndoye bu ñu la déggee duñu ñu kontaan de. Souleymane Ndoye suma rakk la. bi hmm. muy bi muy bi ñuy bi ñuy dem élection départementale. Hmm. daf ma laaj ndax euh, euh, tu n'es pas intéressé par la par le département. ah oui oui oui ma ne ko non man man man je sens pas le département ça m'intéresse pas. d'accord kon teeloon nga joxe sa position. bu bu yàgg. waaw moom moom rek laa ko wax de. d'accord ah, ça je le dis ici. Hmm. boobu moom dafa bëgg rek dafa bëgg. Hein, ma ko ça m'intéresse pas man je sens pas le département euh, utilité département gisuma ko je préfère la ville ville ville ville moo ma intéressé may def si ville bi laa koy def bon loolu mooy loolu mooy suma ambition euh, ñu defaraat ñu la ville de Rufisque defar ko bu baax hein, parce que bu ñuy wax euh, li ñu li ñuy xase Tëngéej le mooy le centre ville ni mu mel l'encombrement euh, le, le, manque d'hygiène. Hein, le problème d'assainissement. d'assainissement. Mm -hmm. Les canaux hein, à ciel ouvert. Voilà, les canaux à ciel ouvert. Encombrement. Sur bâtiment. Les vieux bâtiments. On a, on a organisé ce qu'on appelle des, des assises mhm. pour mieux définir. Oui, la, les assises de Rufus. Voilà, oui. les assises de Rufus. Mm -hmm. Pour mieux définir la, euh, la vocation de, de Rufus. Mm -hmm. Hein, on veut que ce soit une ville de, loisirs et de, et de culture. Mhm. Hein? des, euh, on va refaire l'architecture des, des, monuments, mhm. hein? Hein? Euh, accueillir des, des, institutions culturelles, mhm. voilà, accueillir, accueillir des, institutions culturelles comme de l'école euh, des arts, etc. pour que Rufusque vraiment soit une ville de loisirs. Parce que, et non une ville de, commerçants où. c'est ce qu'elle est devenue C'est vrai. que ce tout le temps. Et malgré les interventions de la mairie puis les fi avec la préfecture, Terraoul on récidive. Au début on a travaillé pendant pendant six mois on a travaillé à assainir ici. amna euh, amna Oui il y avait personne. Mhm. Hein? il y avait y avait personne personne. Il n'y personne si. y n'y avait personne. circuler. c'est fini parce que il faut le dire il y a une contradiction entre la ville et la commune et les et les communes. pendant que la ville veut assainir hein, la la commune de l'est la commune de l'est moom personne. autorisation commerciale les commerçants par terre là. il tous les légumes a que. ah mais parce que derrière c'est des petits sous C'est xam ne c' des petits sous donc dans les caisses. C'est des petits sous qui ne règlent rien. le maire le maire. alors nous renforce budget. le maire le maire de l'Est a avoué que li am mu si hein, fait ça personnellement. <laughs> mais ne bon mais mais. kon kay jaratu ko woon. jaru ko jaru ko il faut que la la ville de Rufisque avait mis en place une brigade. Mhm. une brigade de vigilance quand on a nettoyé et réorganiser hein, euh, le centre ville. oui dañu déplacé les commerçants Il y avait y a des bâtiments. oui qu'on avait détruit là euh, les anciens services des travaux. Mm. nous, hein, gaziello nous nous mm. ko. Mm. installé les commerçants. Nous hein. ñu le les le légumineux le marché de poissons bon aussi mais après nous avons le maire le maire de l'Est monsieur

Aujourd'hui, que à côté de Djamnyadjo, délaissé complètement par l'État du Sénégal, là, là, là, là est-ce que, est-ce que, est-ce que l'idée pour l'eau, on n'a pas besoin de l'État. Pour défendre, pour faire BDI, là, hmm. on n'a pas besoin de l'État. Budget mairie, bi, euh, hein? budget mairie a une volonté aussi. Il faut que, le, il faut que, le, il faut que. Budget 5 milliards ah. pour mairie, pour, pour nettoyer la ville mais à on n'a pas besoin de l'état fini sur peut-être c'est dans les grands projets dans les grands projets d'investissement mais est-ce que nous aussi nous mënul xëcc parce que des projets de grandes envergures avec l'état du Sénégal euh, c'est des projets privés il faut avoir des des des financements privés on a des projets aussi. Comme les, les, milliards du, du, voilà, pour faire, euh, chinois pour, le, le, carré d'or. là oui, Mais, mais ils hésitent à venir. Parce que hein, on n'arrive pas à régler le problème foncier. Parce que fini, fini, installer. D'affaires mieux avec des euh, bon, occupations légales et illégales. Il faut que nous, nous, nous, Il faut régler ce problème-là, vous parlez il paraît qu'ils sont prêts à venir, ils ont les, ils ont les sous, mais dañu bëgg ñu defar dëkk bi parce que aussi doo doo defar des des immeubles euh, aussi euh, luxueux. oui ah bëgg euh, kan kan moo ñëw dëkk foofu. kan moo ñëw dëkk foofu dans des si c'est des des des. Ah, parce que contre contraste bi day ñaaw nga am euh, même ay Airbus après nga am ci suuf ay réseaux sociaux yoo xam des des des des bâtiments à usage commercial bon mais euh, euh, si tu veux que ce soit rentable il faut quand même que l'environnement soit. soit assaini et sain. Hein ambition le centre ville parce que c'est le centre ville qui fait est-ce que tu as ce parti. Hmm. Euh, PDRS est-ce que que euh, un motif de la ville wala jël l'une des institutions municipales. Euh, pour falou defar de bi. moi je man y euh, réfléchir bon je suis très avancé à une euh, grande coalition. qui va couvrir toutes les communes et la ville. d'accord hmm? ah, parce que un parti rek de doy. non il faut nous coaliser. Ah, un parti tout seul ne peut pas gagner. Mhm. c'est des des coalitions mais de mon sur la base d'une vision partagée qu'est-ce qu'on veut faire de Rufus Qu'est-ce que vous voulez faire, vous, de Rufus Voilà, oui, oui. Qu'est-ce qu'on doit faire de Rufus hein? Bon, Ninka va Nous sommes des gens, ils ont des Nous sommes des représentatifs. Ils ont des socle, ils ont rapporter les besoins, hein? les besoins des, populations dans les, différents quartiers. Nous, on a euh, peut-être notre mot parti, il est nouveau, mais on a une assise dans toute la ville. Mhm. -hmm. Dans toute la ville. Ah bon, il y a Moi, j'ai été responsable de l'union communale ici. Oui. Hmm? Hein? Pendant, pendant, pendant un certain temps. Hein? J'étais responsable de l'union communale. Ben, Jacques m'avait pratiquement tout pour déléguer. J'ai géré, géré une, une coordination. J'ai des, amis, des amis dans tous les quartiers. Bon, mais je compte en plus sur euh, vraiment d'autres Rufusquois et Rufusquoises, hein, euh, euh, ils ont ils, ont ils ont une représentativité dans leur quartier. Nous sommes hein, dans les communes et dans la ville. Et puis aussi en concertation. Mm-hmm. parce Parce qu'il faut que nous ayons une équipe, équipe de maires de communes et, de maires de ville. Ils, ils tirent dans le même sens. D'accord. Hmm? il tire dans le même sens. mais vous que qu'opposant, que opposant ce sera très difficile parce que déjà pouvoir de Hamgane, accepter, peut-être la ville pouvoir de hein. mais attention la euh, la ville la la l'équipe municipale de la ville. Mhm. c'est pas c'est pas le pouvoir. non non. c'est l'opposition. c'est l'opposition ils étaient tous dans l'opposition. Hein? Bah, quand on quand on gagnait ils étaient tous dans l'opposition. Alunmar, il était dans l'opposition. Mhm. Euh, Albert, il était dans l'opposition. Ils ont mieux gagné. Mhm. Bon, mais Alunmar, à qui bon, ils ont rejoint. Mhm. Ils ont rejoint la, la PR. Mais <laughs> c'est l'opposition qui, gère la ville. Finalement, moi, moi, je ça. Moi, je suis, disons, difficulté. Parce l'État ne nous supporte pas beaucoup. D'accord. L'État ne nous supporte pas beaucoup. Mais une mairie doit pouvoir se débrouiller sans l'État une bonne, euh, une bonne gestion avec peine de, communale. Avec Parce que une mairie, euh, euh une, euh, une mairie, à 800 millions pour, pour, pour, pour, les collectivités non, locales li, li, li, du nord, de l'est et de l'ouest. Li les laaj si maire. mooy hein, liggéeyam li li population yi bëgg mooy dëkk bi set dëkk bi dëkk bi set dëkk bi ñu mën circuler hein, et puis aussi ñuy dimbali donc faire du social. Dans besoin, éducation sociale. Oui, hein, euh, soutien Les Les, autres, les autres secteurs, il faut aller chercher des partenaires privés. On a les, on a les compétences, les moyens d'aller chercher des compétences privées. Nous devons euh, des projets PPP. Euh, un hein? partenariat public-privé. C'est ça, c'est fait avec l'équipe municipale actuelle. est Voilà. Que, bon, le, projet, le projet des trois tours là. Oui. Ouais, ça, ça, ça devrait être un pipi pipi hein? Mais tu as envie na de des six périodes parce que mandat vous dire de. parce que on tape ñu ngi ñun ñoo yéex a def def li chinois ils jël milliards yooyu. ah oui au détriment des rues en tout cas parce que y a des contraintes qu'on doit lever moi euh, assainir la ville et puis aussi euh, régler le problème foncier. alors maintenant ma am question bu mujj mooy euh, deux 2024 mm. troisième mandat. Je mm. nga ci seen biir ndax yëg nga ne c'est déjà dit que li tax beaucoup de si wax ils veulent que le le président Macky Sall bay une dernière fois. xam nga bon euh, les événements. du piège hein, c'est une question libre dans les événements du 3 mars, il y, avait, il y a cette euh, revendication qu'il renonce, que le président Macky renonce au troisième mandat. Ce qu'il n'a pas encore Ça a été dit. Ça a été dit. Ah, ça a été dit. Mais après, il y, a, la suite des événements que. Ah, euh, euh, parce il y, a, il y a tout un mouvement qui s'est créé, le Front de résistance nationale, hein, non pas c'est pas c'est pas c'est pas euh, un mouvement. Et on adhéré au mouvement. oui, déjà. oui, nous avons nous avons adhéré mhm. parce que c'est un mouvement qui réclame la restauration des valeurs démocratiques. si mhm. hmm? mu que l'on que l'on libère les prisonniers politiques hein, que l'on euh, redonne euh, les, droits civiques à à Karim et à Khalifa hein. Hein, et que qu'il y ait plus d'équité au, niveau, au niveau de la justice. Notre par le règlement notamment du, du, euh, dossier Sonko, hein, dans, les règles, dans les règles de l'art. Mais il que quoi. Mm-hmm. Hein, euh, euh, intervention après apaiser na affaire yi. ça a été une bonne chose apaiser na yëf yi. waaye am na dafa mel ni dafa mel ni que dañuy nelaw dañuy nelawal. nelawal na gars yi uh-huh. neewaguñu neewaguñu euh, situation boo xam ne dañuy composer ay euh, ay ay coalition pour pour aller aux élections mm-hmm. mais kooku c'est un préalable. parce que sinon bu ñu réglé le problème de Khalifa Sall et de euh, et de. et de Karim bon est-ce qu'on va aller naka la ñuy demee élection. moo jaaxal ñëpp. Hmm? le parrainage il faut le supprimer. Hein? Bah, parce que am a une commission récemment bu au niveau voilà donc. Euh, la haute cour de justice de la de la CEDEAO euh, sur donc euh, ministre Omar Gueye tontu ne ils n'ont de leçon à apprendre de personnes. Donc, aussi bon ah, comme ah. on dit bon bu la haute cour bu defee une décision. Favorable au Sénégal on dit y va <laughs> bu def une décision. non <laughs> favorable, on n'y va pas donc ça c'est ce libre arbitre là mm-hmm. baaxul quoi mm-hmm. c'est pas normal yow da nga gis ne ni ñu joree réew mi daal du non, noonu non c'est un libre arbitre et puis c'est un euh, je vais pas, pas dire bon je fais ce que je veux quoi lu ma neex lu ma def Hein? moo loolu loolu loolu moo dul yoon est-ce que tey jii nii yow sa candidature euh, sur le plan national di nga soutenir Khalifa Sall di nga di nga am tey jii coalition pour mën dem à la présidentielle wala si si ñoom Sonko ngay dem wala Karim Wade mais je pense que non. se penche en Khalifa. Là. Non, non, moi, je, moi je suis foncièrement avec, euh, avec Khalifa Sall. D'accord. Mais il faut d'abord que, que, nous, que nous que ses droits civiques. Voilà, c'est ça. Hein? C'est ça suis le avec Khalifa, bon, euh, je le, je, s'il est candidat, je le, je le soutiens. Et, hein? je, je, le soutiendrai. Mm -hmm. Alors, mais, merci, émission Vidir, nous sommes en train là, faire des choses. Wow, non, mais rien de particulier, sinon remercier dafa xëy na xëy na dafa gàtt. dafa gàtt on a peut-être pas on a peut-être pas tout tout dur mais que pour dire que je suis euh, bon je suis à la disposition de euh, de ma ville. Mm-hmm. Hein, et de mon et de mon pays. Mm-hmm. parce que ñoom rek laa am ah amatuma soxlawuma benn poste au niveau national li ma li ma am comme carrière euh, administrative et professionnelle def naa def naa ko ba pare. Mm-hmm ñu ngi ñu ngi sant yàlla mais li ma gën a intéressé mooy dëkk fii ma dëkk hein, dama fii ma dëkk dama bëgg mu rafet ni mu rafete woon. Hein, joxaat ko joxaat ko taar bu mu waaw ñu joxaat ko taaram yomb na. Mm-hmm. Mm-hmm. yomb na hein, te mën nañ ko def très rapidement. mais loolu koo ci woo jeune euh, population bi la wala wala ñii di jiite. non population bi. wala les deux à la fois. on va vers des élections population bi laa si laa si laaj. population bi laa koy laaj ñu jàppale ñu. Euh, ñu ñu defaraat dëkk bi man loolu rek mooy suma mooy suma ambition bëgg bëgg. te yow sa parti sa parti prêt na pour pour def front yëpp. ouais, on est prêt on est prêt depuis on est prêt on va se on va se battre pour ça on est bëgg nañ liggéey nag ñëpp amuñu benn amul kenn koo xam ne euh, dañu dañu dañu opposé à lui ici au niveau de Rufisque ku ku ku d'accord si suñu vision bi ñu décliné hein, euh, notre notre vision et notre ambition à à ku qui a les mêmes ambitions nga nous, ñu bokk voilà nous de mais c'est que nous avons souvent dañuy dit hein, hein, avoir dit tout, nous ma dit tout, mhm. hein, faut pas faut pas regarder comme ça parce que en 2014 hein, man deuxième je adjoint nous dama nous gestion hmm, mais adjoint te bu ma porté candidature xëy na mu yàq. mu yàq suñu mu yàq suñu objectif. Mm-hmm. de dégager la la gestion. mais da ngay continuer nii di di sacrifier wu rek te monsieur Ndiaye. non non non léegi kay jeex na. <laughs> ah jeex na war nañu jeex jot jiite war je dis que je vais on va on va se battre pour que parce que aussi bon adjoint au maire tu ne peux tu n'es pas libre. non am coup de branche. Hein? c'est évident am coup de branche. Mm-hmm. amuloo euh, lu la maire bi euh, santaanewul lu mu la euh, doo ko def dafa lay jox sax ba pare di di def di di di def à ta place donc amuñu ben amuñu ben attribution bon on est une équipe on essaie de se convaincre si li ñu war def mais bon euh, li ma li nekk suma xel hein, malheureusement defuñu ko ba légui defuñu ko ba légui on avait commencé dans les six premiers mois def liggéey bo xamné on travaillait en équipe mais dafa yàqu par des divergences. Euh, en interne. voilà en en interne en tout cas mi ngi noonu ñun on va se on va se battre pour dire a am euh, possibilité de faire ville sur une ville fii lañ juddoo moom la ñu am loolu rek moo ñu fi dese. Hmm? incha allah maa lay gërëm di la sant mu nekkoon euh, Pathé Ndiaye moom mi nga xam ne secrétaire général parti bi nga xam ne parti pour la renaissance et pour le développement et la renaissance du Sénégal PDRS. E voilà donc euh, nekkon suñu gan ci seen émission jakarlo politique musa puy nekkon ci xokay bi sen diour euh, mo faré won ci xarala gi rafetlu sen and ak bilé radio jox len dig dajé inshallah dimanche bi di euh, ñew ak benen gan ñu yendu jam